le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangou, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et le week end de 17h15 à 18h15 Ce soir, le thème principal autour duquel tourneront nos échanges durant trois quarts d'heure, c'est comprendre l'assurance maladie au Niger. L'assurance maladie, qu'est-ce que c'est Pourquoi souscrire à une assurance maladie Comment souscrire Quelles sont les pathologies qui couvrent l'assurance maladie et quelles sont celles qui sont exclues Quelles sont les principales plaintes des clients Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons comme invité M. Casimir Alognon qui est directeur des opérations à Saham Assurance. Bonsoir Casimir. Bonsoir, monsieur. Et mademoiselle Zenabou Barazé, qui est gestionnaire de santé toujours à, Saham Assurance. Bonsoir, mademoiselle. Nous avons également invité pour cette émission Sounou Assurance, euh, qui nous espérons d'un moment à l'autre euh, sera avec nous. Merci en attendant à vous d'avoir euh, honoré cette invitation à la présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous. Je le disais ce soir, nous parlons de l'assurance maladie au Niger. L'on relève qu'en matière d'assurance, il en existe deux grandes catégories. Celle qui couvre une personne physique et celle qui couvre les biens. L'assurance des personnes, quant à elle, a pour objet de couvrir les risques relatifs aux individus comme les accidents corporels, la maladie, le décès ou encore l'invalidité. On distingue euh, donc la prévoyance et la santé qui est subdivisée euh, en deux catégories bien distinctes. D'un côté, la garantie obligatoire, à savoir la sécurité sociale, et de l'autre côté, la garantie complémentaire complémentaires qu'est la mutuelle ou l'assurance maladie. C'est ces derniers points qui nous intéressent. La survenue de maladies étant souvent aléatoire, beaucoup de personnes sont amenées souvent à faire face à une maladie imprévisible. Certaines maladies nécessitent une prise en charge rapide, souvent sur la durée et parfois coûteux. Les revenus des tiers sont limités, parfois pour pouvoir prendre en charge ces maladies du fait de la diversité des besoins à satisfaire, d'où l'intérêt d'être assisté par un tiers. Les offres d'assurance maladie se sont développées de nos jours et sont fournis par des organismes privés. Au Niger, il existe plusieurs organismes qui offrent des services d'assurance maladie. Nous allons en parler, mais pour planter les décors, tout d'abord, nous allons euh, commencer par savoir d'abord qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie. Euh, Monsieur Casimir Alognon, directeur des opérations à Saham Assurance. Avant de définir l'assurance santé, je voudrais tout d'abord euh, introduire le débat de cette mhm. façon. Mhm. toute personne humaine qui exerce une activité quelconque et qui dépensent de, l'énergie et des efforts. toute personne humaine qui vit dans un environnement climatique donné, au regard de nos alimentations aujourd'hui, donc euh, qui comportent des conséquences nuisibles à la santé, nous pourrons dire que les hommes sont sujets à des, maladies, à des problèmes de santé. Et lorsqu'on a des problèmes de santé, il faut avoir une prise en charge pour pouvoir euh, euh, bénéficier des soins. L'assurance santé, donc, en définition, fait partie des assurances de personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle a pour but de couvrir l'assuré contre les risques d'altération de la santé ou plus précisément contre tous les événements entraînant une intervention médicale, sachant que l'acte médical peut être appelé non seulement par une pathologie quelconque ou par le développement d'une maladie, mais aussi suite à un dommage corporel ou entraîné par un accident, par exemple. Moi, je parle d'assurance maladie, vous parlez d'assurance santé. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la terminologie euh, adaptée euh, Assurance santé. Évidemment, bon, on appelait ça l'assurance santé, mais il y a une évolution aujourd'hui. On préfère l'appeler l'assurance santé parce qu'on veut donner de la santé aux gens. Mm-hmm. Ah, bien. Et l'autre question, c'est de savoir est-ce que euh, il y a une contrepartie financière en cas de maladie entravant à l'assuré de travailler. Est-ce qu'il y a cet aspect aussi qui euh, rentre dans l'assurance santé Évidemment, toute entreprise ou tout employeur qui ou toute communauté qui a des gens actifs euh, a besoin d'un certain, certain niveau élevé de, rendement de la part de ces personnes. Et donc, euh, si la personne tombe malade ou a des problèmes de santé, ça veut dire que son rendement sera moins. Mm. Et donc, nécessairement, il faut leur assurer, il faut assurer ce genre de personnes pour pouvoir leur assurer à tout moment euh, une santé qui leur permettra de bien produire et d'être toujours actif. Euh, actifs. Et effectivement, l'assurance étant une couverture, une garantie que l'assureur donne, à un coût en compensation que nous appelons la prime d'assurance. Mm. Bien. Est-ce que vous pouvez nous, dire euh, quels sont les autres avantages qu'un euh, assuré a donc par rapport à, sa souscription à une assurance santé. Euh, je m'adresse à vous, Zenabou Zainabou Barazi. Euh. Gestionnaire santé à sa Assurance. <laughs> Merci. L'assurance santé, vraiment, c'est euh, d'assurer les personnes contre les conséquences économiques d'un état de santé qui nécessite des soins. C'est-à-dire, maintenant, <laughs> notre état de santé, comme l'a souligné M. Alognon, mhm. est euh, assez fragile et c'est pas tout le temps que tout le monde a la disponibilité sur soi pour aller se faire soigner adéquatement. Mhm. Donc c'est dans ce cadre-là que la, société la, l'assurance santé intervient pour pouvoir soulager la personne et sa famille aussi euh, dans le traitement de la dite maladie. En fait. Alors, la souscription à une assurance maladie, elle se fait comment Bon, la souscription. Je m'élève, je voudrais me, faire assurer quelle est la procédure à suivre. Euh, l'assurance santé, au fait, euh, on commence à partir de 10 familles, disons. L'assurance pour une famille. Donc, une personne individuelle euh, pour l'assurance santé, malheureusement, on ne peut pas lui offrir une assurance. Il faut euh, impérativement à partir d'une famille. Et ça peut être une euh, ONG, ça peut être une structure privée, semi-privée, euh, publique, qui a un personnel de plus de 10 familles. Mmh. Et par famille, nous entendons l'assuré, donc la personne qui travaille au sein de cette structure, aussi le conjoint ou les conjoints avec les enfants biologiques de moins de 21 ans. Donc euh, ça, c'est à, votre niveau, vous n'assurez que euh, les familles, en quelque sorte, euh, pas individuellement. Oui, pas individuellement. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont les ONG, aussi les associations et les, les gouvernements. Combien coûte la souscription à une assurance maladie pour, une personne ou pour, pour une, famille Monsieur Alognon vous voulez répondre à cette question Je crois qu'elle a dit quelque chose qui est très important. Uh-huh. C'est la taille euh, du groupe que nous assurons. Uh-huh. La prime d'assurance est effectivement modulée par la taille du groupe. Lorsque nous avons euh, un nombre de familles assez important, euh, ça impacte sur la prime à payer par famille. Et lorsque le, donc le cas contraire, lorsque le nombre est petit, donc la prime est conséquente par rapport à ça. Parce qu'il faut assurer une mutualisation une compensation au niveau de ce groupe qui sera assuré. Certains seront malades, d'autres ne seront pas. Il faut une prime conséquente pour pouvoir être mutualisé dans le groupe pour que ceux qui seront malades puissent avoir les moyens à partir de ce qui a été cotisé mhm. pour pouvoir être pris en charge normalement. Donc, euh, il n'y a pas un prix qu'on peut vous donner aujourd'hui qui est la prime euh, d'assurance, mais ça dépend de la taille du groupe qu'on présente. Euh, je crois que madame, vous voulez ajouter quelque chose Oui, je voudrais aussi mentionner que ça dépend de la territorialité, parce qu'il y a plusieurs options qu'on offre en assurance santé. Quand je dis territorialité, c'est-à-dire si la euh, la structure ou la société veut être couverte pour son personnel sur le territoire nigérien uniquement, il y a hmm. cette option. Il y a aussi en cas de mission, si vous voulez être couvert dans ailleurs, au territoire nigérien. vous pouvez choisir la territorialité où on vous donne notre territorialité standard. Hmm. Donc, euh, ce sont des missions généralement de moins de trois mois. Vous allez être couvert par, euh, pour ça. Et euh, la troisième option aussi, ce sont ces deux premières options avec l'évacuation sanitaire. Mmh. Donc parfois, le plateau technique euh, nigérien ici ne nous permet pas de soigner certains cas. On est obligé de procéder à une évacuation sanitaire. Donc on offre ça. Ça aussi, ça intervient dans la détermination de, de la prime. Et aussi, euh, la troisième chose qui intervient, c'est le taux de couverture. Et par taux de couverture, parfois, on est couvert à 100%, c'est-à-dire que l'assurance couvre les frais médicaux à 100%. Voilà. Et euh, le plus souvent, c'est à 80% que euh, la société décide de, souscrire, voilà. Et euh, c'est-à-dire 80%, l'assurance prend en charge les 80% et l'assuré prend en charge les 20%. Je reviens à vous quand même, Monsieur euh, Casimir, euh, pour pour insister et avoir une idée du coût de la souscription. Est-ce que, par exemple, une famille, supposons de taille qui ne dépasse pas trois, trois personnes, euh, mari, euh, conjointe et enfant, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça peut coûter Bon, euh, on dit souvent en assurance que tout risque est assurable. Mhm. une famille de trois personnes mhm. n'est pas souvent recevable par les assureurs à cause du manque de mutualisation de compensation à l'intérieur. Mais il y a des cas où l'assureur peut accepter de souscrire à ce risque mais le coût sera élevé pour une famille de trois familles, de, trois membres. Pour le Niger uniquement et pour un taux de remboursement de 80%, la prime peut aller autour de 800 000 à 1 million. Alors que pour la même couverture zonale et autres, mhm. le taux de remboursement pour euh, un groupe qui fait par exemple 100 familles, cette mhm. prime peut être autour de 260 à 300 000 francs mhm. par famille. Donc voilà un peu ce que la difficulté que j'exprimais entre, autres. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu la mutualisation. Euh, la mutualisation, c'est euh, un facteur de base en assurance. C'est ça qui exprime l'esprit de solidarité de tous les assurés que nous avons dans notre portefeuille. Mhm. Euh, vous allez voir que l'assurance est basée sur l'aléa. Donc, il y a certains qui subiront le risque, et d'autres qui ne subiront pas. Et donc, par des méthodes statistiques, nous arrivons à identifier à peu près le nombre de ceux qui pourront être sinistrés. Mhm. Et à partir de ça, on modélise la prime pour que ça soit supportable par l'ensemble des groupes et ceux qui subiront le risque et ceux qui ne pourront pas en subir. De sorte que ceux qui subiront les risques euh, puissent être pris en charge par ces, euh, Exactement. ceux qui, qui, qui seront exempts. Exactement. Alors, en grosso modo, c'est que je retiens, euh, vous recevez les entreprises et les organismes publics et privés. Oui, on reçoit tout le monde, les, entreprises, les ONG, euh, les structures semi-privées, les associations, même les groupements. Euh, on les accompagne par rapport aux besoins qui sont exprimés pour leur produit, afin pour leur offrir un produit adapté à leurs besoins quelle la période couverte par l'assurance Généralement, c'est un an. Hein. Donc, euh, si vous voulez prendre l'assurance de façon globale, c'est un an. Une année, ça fait, ça fait 12 mois. Donc, mais il y a des assurances de courte durée, hum, de 3 mois ou de 6 mois, mais qui sont généralement plus chères en proportion que si vous prenez une assurance annuelle. nous allons aborder la deuxième partie de cette émission concernant la satisfaction des clients. Et pour cela, je vous propose qu'on écoute ensemble euh, un assuré qui nous avons rencontré. Il formule ses griefs en ces termes. Il y a quelques difficultés qui ne sont pas rares, qui sont souvent répétitives. Si nous prenons un peu le cas des confections de verre, ce nous requiert qu'il faut que la, personne fasse d'abord 10 mois avant d'être remboursé. S'il faut faire attendre 10 mois avant d'être remboursé, et si dans le cas où, où la personne a mis son argent de sa, son salaire pour confectionner les verres, vous voyez, ça pénalise quelque part. Paramètre 2. Prenons le cas des assurés, du côté des femmes. Vous avez une femme qui tombe malade, par exemple, on lui prescrit un produit pour nettoyer, par exemple, qui a fait une fausse couche. Exemple, on le prescrit un produit pour nettoyer les trompes. Vous venez chez Sounou, Sounou vous dit que il n'est pas pris en compte. Il y a des produits qui ne sont pas pris en compte pour nettoyer les trompes. Alors, tout ça, c'est des failles. Maintenant, prenons le, le côté maladie. Le côté maladie, il y a des produits que Sounou ne prend pas en charge. Alors, à ma connaissance, quand on dit prise en charge, tout doit être normalement intégré. Le côté maladie, vous partez dans une clinique où vous voulez vous traiter, on vous dit que non, que il faut que ça soit que un jour ouvrable. Un jour férié, il faut d'abord passer à Sounou pour prendre un cachet. Mais bon Dieu, si Sounou pourrait trouver une solution pour mettre des carnets en place pour qu'on puisse enregistrer la personne facilement, pour qu'on puisse lui donner les produits dans le cadre d'urgence, ça serait la meilleure parce qu'une maladie n'attend pas. Disons que la personne a une, maladie d'urgence sur laquelle il a une clinique à côté de lui qui n'est pas dans la qui n'est pas dans le contrat. Comment ça se passe avec nous Il faut payer pour être remboursé. Mais dans le cas échéant où la personne n'a pas de l'argent, il fait comment Il faut qu'il prenne l'ordonnance pour venir pour qu'on le mette un cachet. Ça retarde. Il y a, la maladie n'attend pas, comme je viens de le dire. Ça retarde la faisabilité de la mise en place du traitement. Il faut venir mettre un cachet à ce. Si dans, euh, chez le contractuel, euh, la société, si il ne travaille pas le week end comment comment il faut faire alors vous êtes obligé de passer par un prêt chez un ami ou bien chez autre personne. Et si vous passez par un prêt, est-ce que la personne là-bas attend jusqu'à la fin du mois pour le rembourser ou pas il y a des pharmacies que nous partons, nous partons voir. Ces pharmacies nous disent que non, le temps que euh, cette euh, boîte prend avant de la rembourser, ça prend du temps. Ou avant de la quand ils livrent des produits urgence, d'urgence, ils, viennent, on dit que ce produit n'est pas eh, dans, le contrat, euh, dans le contrat, ce produit ne fait pas partie. Donc nous allons prendre aussi le paramètre côté remboursement, qui fait 48 heures avant d'être remboursé. Ce n'est pas normal. Le côté vert, il faut que ça fasse 10 jours avant d'avoir le chèque. Et si dans le cas où la personne a prêté l'argent avec quelqu'un, qu'allons-nous faire ce monsieur, peut venir faire des scandales. Alors pour éviter ces scandales, qu'est-ce que cette boîte envisage de prendre pour l'année 2018 Ça, ce sont des failles que j'ai constatées à son nom, que nom doit quand même relever comme défi de l'année 2018. Euh, vous venez là donc euh, d'écouter le coup de gueule d'un client euh, de, de Sounou Assurance. Je rappelle quand même que euh, nous avons également invité Sounou Assurance pour pouvoir justement répondre éventuellement à, ces genres de, questions et donner son point de vue, euh, nous, expliquer davantage l'assurance maladie, mais malheureusement, jusqu'à jusque-là, aucun représentant de Sounou Assurance. Donc, vous, allez, vous avez écouté avec nous ce, ce client qui quand même porte un certain nombre de griefs. Euh, quelle explication donnerez-vous à, certains, à certaines critiques, Monsieur Alognon Merci. Je crois que les difficultés évoquées par euh, notre client peuvent concerner tous les assureurs. Ce n'est pas un fait qu'on peut reprocher spécifiquement à son assurance. Ah et, ça, ça découle généralement de l'incompréhension euh, du contrat de base. Un contrat, de, c'est l'élément juridique de base qui lie l'assuré à l'assureur. Et nous conseillons vivement à nos assurés ou aux souscripteurs de faire lire les contrats à nos assurés pour qu'ils connaissent les obligations qui les incombent, les garanties qui sont accordées ainsi que les exclusions au contrat. C'est mmh. très important. Mmh. Et donc, euh, euh, concernant tout ce qu'il a dit, euh, je crois que par rapport au délai de remboursement, euh, le délai peut varier d'une compagnie à une autre. Mmh. Ça, dépend du dispositif mis en place. Et au niveau de Saham Assurance, euh, lorsque vous préfinancez vos soins et que vous déposez la demande, euh, vous avez 48 heures pour avoir le remboursement lorsque le montant ne dépasse pas 50 000 mm-hmm. et vous avez 72 heures pour avoir le, remboursement lorsque ça dépasse 50 000 en raison des procédures d'émission d'échec par rapport à l'autre difficulté où vous devez avoir un accord de validation au niveau de la ah, compagnie avant de se rendre Je crois qu'à Saham, nous, on ne fait pas. Il n'y a pas cette procédure. Mm. Euh, mais je peux l'expliquer parce que euh, quelque part, c'est que les assureurs se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de fraudes mm-hmm. où les gens fassent passer des membres de leur famille ou des proches euh, pour pouvoir bénéficier des prises en charge et l'assureur est tenu de regarder un peu dans les choses, parce que je précise que l'assurance santé est différente dans sa gestion par rapport aux autres assurances. Mm. Le souscripteur met à la disposition de l'assureur un crédit, de mm. l'argent, et que nous sommes tenus à gérer en bon père de famille. Mm. Et donc ça demande que nous soyons rigoureux sur un certain nombre de choses concernant le contrat. C'est ça qui amène certaines compagnies à demander que les factures ou les trucs, soient les ordonnances soient validées avant euh, qu'il ne se fasse servir au niveau des pharmacies. Seulement, euh, ça, il arrive que ce, soit des week-ends. Et oui, et c'est un peu dangereux parce que nous nous sommes dit à Saham que lorsque une personne est dans, une situation de santé, euh, il ne faut pas le traîner dans des conditions de déconvenue. C'est pour cela que cette procédure a été sautée dans notre manière de gérer. Donc, euh, quel que soit, les, les, pharmacies cliniques qui sont, conventionnées dans notre réseau, vous, avez une prescription, vous rendrez directement dans votre pharmacie. Et euh, euh, alors, il y a un autre aspect évoqué par ces derniers, notamment la question des verres, la confection de verres correcteurs. Ou, normalement, en tout cas pour, le cas de Saham, il faut attendre 10 jours avant de ah. se faire rembourser. En fait, euh, Madame euh, Zenabou Barazevi, allez-y. Bien sûr, je me permets d'intervenir sur ce point. Mhm. Euh, en ce qui concerne les vers et la maternité en général, au fait, dans les anciens textes, il y avait euh, effectivement ce, délai de carence de 9 mois qu'il faut attendre euh, avant de se faire rembourser pour les verres ou, mhm. ou, euh, pour l'accouchement. Mhm. Mais nous, au niveau de Saham, vraiment, on s'est dit que c'est pas parce qu'on a souscrit à une assurance qu'on aura immédiatement besoin de vers ou bien qu'on va accoucher. Donc vraiment, c'est pris en charge automatiquement. Le, la procédure, par pour les Verts, euh, ils font partie d'une liste qu'on appelle euh, soumis à attente préalable, c'est-à-dire que... Soumis à attente préalable. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que vous devez, si, vous faites euh, consulter pour les verts, par exemple, vous avez une prescription, vous pouvez vous rendre chez nos prestataires, c'est-à-dire chez, un, un, opticien. Vous procurez une facture pro forma euh, et revenir dans ce cas, si oui, vers euh, Saham pour vous faire euh, valider cette facture pour vous permettre de prendre vos verres. Mm. la raison pour laquelle on fait ça, parce que plus, les contrats ont des, ce sont des contrats différents. Mm. Il y a des plafonds qui sont différents pour certains actes comme les dentistes, les, les frais optiques. Mm-hmm. Donc, notamment, c'est pour vérifier ces plafonds-là mm. qu'on fait revenir l'assuré pour à Saham pour prendre l'accord et retourner prendre ses frais. Et payer dans ses propres frais Non. Ah, ah. Euh, il ne paie pas dans ses propres frais euh, tant que euh, l'opticien est dans le réseau de Saham. C'est-à-dire qu'il vient, on lui donne l'accord, il repart chez l'opticien. S'il a un pourcentage à payer, il va payer son pourcentage. S'il est pris en charge à 100%, il va être pris en charge à 100% en respectant le plafond. Et si jamais l'opticien ne pas dans, dans, la liste euh, est-ce que vous, vous, délivrez un chèque à, cette personne pour aller faire ses verres ou vous lui donnez juste l'accord de pouvoir faire les verres et de revenir pour être remboursé Si euh, l'opticien n'est pas dans le réseau, euh, au fait, c'est à la charge de la personne qui devrait nous envoyer les documents après pour remboursement qui prend les 72 heures comme M. alloignon l'a l'a souligné, si c'est un chèque. Si c'est pas un chèque, là, ça prend les 48 heures pourra se faire rembourser. rarement, ça n'atteint les 10 jours à votre niveau Non, ça n'atteint pas les 10 jours. un autre aspect dont se plaignent souvent les clients, c'est surtout les cliniques ou pharmacies qui refusent souvent de servir les assurés euh, de certaines assurances au motif que l'assureur euh, ne paye pas. Euh, je vous propose pour cela d'écouter un autre client. Bon, moi, le seul problème que j'ai eu une fois, c'est quand je me suis rendu dans deux cliniques deux des cliniques qui, faisaient partie de la liste des cliniques auxquelles on pouvait se rendre. Ils m'ont refusé les soins, soi-disant que notre assurance n'avait pas réglé les frais. Donc là, bon, le problème c'est que parfois on n'a pas d'argent pour régler nous-mêmes nos frais et parfois il y a beaucoup d'analyses à faire. Mais sinon, si on a l'argent, on peut faire les analyses, mais après on se fait rembourser par l'assurance. Là, il n'y a pas de souci. Quelle suggestion Il faut qu'il y ait plus de coordination, je ne sais pas trop entre l'assurance et peut-être les cliniques. Parce que là, si notre assureur, il, il règle les frais d'assurance et que au niveau des cliniques, on nous dise que l'assurance n'a pas réglé, là, c'est problématique. Voilà, donc vous venez d'écouter donc euh, ces clients. Euh, madame euh, merci, oui, tout à fait. on rencontre généralement ce genre de problème, mais le plus souvent, au fait, euh, comme l'a souligné l'assuré, c'est un problème de coordination et de communication. Euh, les euh, prestataires qui disent ne pas avoir été, remboursés, voilà, mhm. le plus souvent, les factures ont été réglées, mais c'est un problème de suivi au fait pour vérifier les factures qui ont été réglées. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment ça qui se cause comme ce, problème. Monsieur Casimir Alognon, directeur des opérations, vous voulez ajouter quelque chose oui, effectivement, euh, je crois que par rapport aux prestataires, nous signons nos conventions. Et dans ces conventions, les délais de règlement des factures sont précisés. Et ça voudrait dire que les prestataires doivent adresser les factures en tenant compte de ces délais fixés conventionnellement. Donc, si les factures ne sont pas adressées à la compagnie à temps, ça pose un problème de retard. Mais je reconnais également qu'il y a des moments où certaines factures peuvent traîner, c'est-à-dire dépasser ce délai conventionnel au niveau des compagnies également. Donc, pour, pour, rembourser. Pour rembourser, mhm. ça arrive. Donc, je crois que c'est un problème de coordination, comme le, client l'a dit. Il faut une coordination pour que le mhm. client, lui, qui est externe à ça, ne mhm. subisse pas des, des, des Ça, c'est important à soulever. Voilà, je, voudrais revenir un peu sur quelque chose. Euh, les cas que mademoiselle Zenabou a précisé tout à l'heure mhm. et qui demandent à ce que vous passez à Saham, effectivement, c'est des cas qui relèvent des, cas d'entente de, d'entente préalable mhm. et qui est contractuel. Les actes soumis ou les, euh, ou les, les frais soumis en entente préalable, il y a toute une liste que nous remettons à l'assuré. Et donc, ce n'est que uniquement ces actes qui font l'objet de validation auprès de Saram Assurance. Parce que il y a des tarifs que nous avons négociés avec les prestataires. Il faut que nous soyons sûrs que ces tarifs soient appliqués à nos clients. Mhm. Et de deux, il y a des actes qui peuvent faire l'objet d'exclusion. Il faut qu'on soit sûr pour prévenir, prévenir l'assuré pour qu'il ne se fasse pas faire face à des coûts élevés et c'est en ce moment uniquement qu'ils se rendent compte que c'est une exclusion. Hmm. Donc ce n'est que pour ces cas-là que nous demandons que la validation soit faite au niveau de sa assurance. Voilà. Et nous avons entendu précédemment que l'autre, il y a certains produits qui sont exclus. Est-ce que c'est le cas aussi à votre niveau et pourquoi Oui, dans, partout au monde, euh, même aux États-Unis, en France, euh, tout ça, il, y a toujours des produits qui sont exclus. Euh, de l'assurance santé parce que euh, tout produit qui ne rentre pas dans un cadre aléatoire euh, doit être exclu. Si je me présente dans qu'est-ce que vous appelez tout produit oh, qui rentre que je veux acheter une vitamine moi-même, ça ne rentre pas, vous n'êtes pas malade, ça ne rentre pas dans les, dans les règles de remboursement. Si vous voulez acheter des produits pour la peau, pour embellir votre peau, des produits de luxe, ça ne rentre pas dans l'assurance maladie, donc c'est exclu. Si vous voulez acheter des verres euh, vous-même, des verres qui ne sont pas prescrits, c'est pour le luxe, je crois que c'est exclu. Donc il y a une liste de, produits qui ne rentrent pas dans le cadre aléatoire. Mais il arrive des fois que ce soit des produits qui rentrent vraiment dans le cadre du traitement d'une maladie. il faut que, ces produits soient prescrits par un médecin ou euh, un infirmier d'État ou une sage-femme d'État ce n'est que ces personnes qui sont reconnues selon la loi pour, prescrire des produits. Hein. Si ce n'est pas le cas, ces produits ne seront pas remboursés. Hein. c'est important. Il faudrait que, dès la base, l'assuré ou bien le souscripteur puisse poser ce problème. Si vous êtes dans, dans une zone reculée, dans un village où il n'y a pas de médecin, il faut poser le problème pour que nous puissions ensemble définir les règles à la base que euh, un, infirmier agent ou un auxiliaire peut prescrire les produits dans ce cas là Si ce n'est pas le cas, vous présentez à l'assureur, ça sera rejeté. Alors, euh, j'ai envie de poser cette question. Vous avez parlé tout à, l'heure euh, des, prestataires qui doivent fournir normalement les, factures à temps euh, pour éviter donc les désagréments soulevés par, par euh, le client que nous avons écouté. Est-ce qu'on peut avoir une idée de délai de règlement de facture Est-ce que avec les prestataires vous vous entendez pour un an, pour le, pour euh, six mois ou pour trois mois Bon, dans les conventions que nous signons, normalement les factures doivent être adressées à l'assureur. Nous sommes dans le mois de mars. Mhm. Les factures de mois de mars doivent être adressé à l'assureur euh, le 5 mai au plus tard. C'est-à-dire un mois, un mois. Un mois, euh, voilà, le 5 avril. Le 5 avril, voilà. Donc, N plus, euh, le mois N plus 1 plus 5 jours. Et donc, presque mensuellement. Voilà, mensuellement. Donc, si ce n'est pas adressé dans le délai, ce délai, il y a une partie du délai qui a déjà couru et qui n'est pas imputable à l'assureur. Mais est-ce qu'il arrive est-ce que euh, parmi ces prestataires, il y a des gens qui préfèrent euh, euh, attendre trois mois, six mois Oui, il y a, des cas. Il y a aussi des prestataires qui ne sont pas à Niamey, qui sont à l'est, bon, dans les villes de l'intérieur. Bon, donc c'est sûr que ces prestataires n'envoient pas régulièrement les factures selon les délais. Et ce que nous recommandons également. Nous, allons revenir aux recommandations. Ah, mm, excusez-moi, nous ne <laughs> sommes pas encore aux recommandations. Seulement, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes vraiment attentif aux plaintes des clients et qu'est-ce que vous faites réellement au... niveau de ça, Assurance, je crois que euh, l'écoute aux plaintes des clients est une culture qui est instaurée. C'est une culture du groupe d'ailleurs. Mm. Euh, nous sommes une société commerciale. Si nous ne coûtons pas nos clients, nous ne pourrons jamais les satisfaire. Et donc, euh, les plaintes des, clients sont les bienvenues à ça. Mais est-ce qu'il y a un dispositif déjà en place pour, pour, pour véhiculer ces, ces plaintes Il y a un dispositif qui est mis en place et euh, qui va jusqu'à la direction générale. Dès que nous avons l'alerte, il y a des procédures internes qui font porter l'information à la direction générale. Alors, nous allons aborder euh, la dernière partie de, cette émission qui va concerner d'abord la, partie concurrence et euh, ensuite nous allons revenir, nous allons en venir aux recommandations qui vous tiennent tant à cœur. Et euh, la concurrence, comment se porte-t-elle dans un contexte où officient beaucoup de maisons d'assurance Merci, monsieur. Effectivement, nous sommes sur un marché petit, où les acteurs sont un peu nombreux. Euh, au niveau du secteur d'assurance, nous subissons deux types de concurrence. Il y a une concurrence euh, première entre les compagnies d'assurance qui se cherchent les mêmes clients pratiquement uh-huh. euh, parce que nous ne développons pas de nouveaux produits qui feront la différenciation. Uh-huh. On est sur les mêmes garanties classiques. Uh-huh et ça fait qu'on tiraille sur les clients. Il y, a une deuxième concurrence, euh, c'est par rapport aux intermédiaires. ceux qui nous apportent les affaires, les courtiers d'assurance, euh, les agences mhm. et les apporteurs euh, agréés, qui sont également des concurrents pour nous. Pour comment Oui. Vis-à-vis d'un client que vous démarchez avec un courtier, le courtier a le choix de sa compagnie. Et donc, lorsque Saham se présente euh, en face d'un courtier sur une affaire, le courtier devient son premier concurrent. Parce que il peut ne pas avoir l'option de son client ou bien de lui-même d'amener l'affaire à Saham. <laughs> Et donc, dans ce cas, il est intermédiaire, mais il est intermédiaire pour le compte d'une compagnie donnée qui est concurrente à SAM et il est le concurrent réel. Réel. Au-delà de ça, entre les intermédiaires même, il y a une concurrence. Parce que chaque courtier ou chaque agent général veut avoir l'affaire. Et donc, les effets conjugués de ces, de deux concurrences font que nous subissons un dumping sur les marchés avec l'écoulement du prix des produits d'assurance à la baisse. Euh, alors, ces, courtiers, euh, leur travail, c'est légal, euh, c'est dans le formel Oui, c'est légal, c'est des courtiers qui ont eu l'agrément du ministère de l'économie et des finances les agents généraux également qui sont agréés par le ministère. Et ils sont chargés notamment de négocier des clients pour, vous, pour les, assurances. En réalité, c'est pour développer la matière assurancielle, pour développer la clientèle, parce que les compagnies n'ont pas nécessairement euh, un nombre important d'employés au niveau commercial pour pouvoir euh, être proche de la clientèle. Donc, ces courtiers permettent de divulguer le produit d'assurance et de pouvoir les vendre euh, dans les coins les plus reculés également. voilà l'objectif qui est là. mais au niveau du Niger, ça fait deux ou trois ans que le chiffre d'affaires du marché n'évolue pas. Ça veut dire qu'on se tiraille sur les mêmes les mêmes clients. Et la concurrence déloyale, elle est toujours d'actualité Elle est d'actualité. Et il va falloir que le marché travaille sérieusement sur cet aspect. Et l'autorité de régulation a commencé par attirer l'attention par rapport à cette situation. Cela peut être expliqué, je ne sais pas, par euh, le manque du respect des textes, euh, notamment euh, régissant le domaine. C'est une conséquence plutôt, parce que on n'arrive pas à, développer de la clientèle. Et on est sur les mêmes clients, et on est obligé pour garder le client de diminuer les prix mm. ou de, d'adopter des attitudes qui ne sont pas commodes. Commodes. Voilà un peu la situation. Bien. Mm. Et alors, quelle autre difficulté vous, en tant qu'assurance, quelles sont les autres difficultés auxquelles vous êtes confronté euh, quotidiennement euh, L'une des difficultés euh, qui est très primordiale pour les assureurs, c'est le règlement des primes d'assurance. Aujourd'hui, il y a notre code CIMA qui est la loi qui régit ou bien qui réglemente le secteur d'assurance oblige à tout assuré à payer l'assurance, le prix de l'assurance à l'effet du contrat, au plus tard à l'effet du contrat. Mhm. Ça veut dire que si. Au début. au début du contrat. Mhm. Ça veut dire que si vous ne payez pas l'assurance, vous n'avez pas de garantie. Et jusqu'à ce jour, euh, cette euh, disposition n'est pas complètement respectée par nos assurés. L'autorité de réglementation a mis cette disposition pour permettre aux assureurs, pour les obliger à la limite de pouvoir régler les sinistres à temps parce qu'ils disposent de la liquidité d'une trésorerie qui leur permettra de régler les sinistres dans les délais requis. Donc si nous n'avons pas les primes, si nous n'avons pas encaissé les primes, on n'a pas de la trésorerie pour faire face aux engagements. Et c'est l'une des raisons qui fait que certaines compagnies n'arrivent pas à répondre efficacement aux délais de règlement. Est-ce que, est-ce que euh, c'est, le règlement, est-ce qu'on peut avoir une idée sur 100 entreprises, euh, on peut avoir combien qui règlent à l'effet euh, 50% euh, ou moins de ça Ça dépend des compagnies, des, des, dispositions mises en place au niveau de chaque compagnie. Mm-hmm. Par exemple, au niveau de Saham Assurance, euh, je crois qu'à la fin de l'année 2017, euh, nous avons pu encaisser euh, plus de 95% de nos primes. Mm-hmm. Ça dépend du dispositif qui est mis en place. Mais je suis certain que au niveau d'autres compagnies, ça ne sera pas nécessairement le même taux. Mais ce n'est pas dans ce cas, ce n'est pas tant que ça un problème. Oui. Le règlement à l'effet. Oui, le règlement à l'effet n'est pas respecté. Quand je parle d'encaissement de prime, la prime peut être encaissée, mais à un délai décalé, alors qu'au moment où vous n'avez pas payé la prime, vous n'avez pas de garantie. Et lorsqu'il y a sinistre, l'assureur a le droit de refuser le sinistre. Est-ce que euh, quelque part, est-ce que quelque part, euh, cet aspect-là, euh, si ce, problème persiste, ce n'est pas parce que justement vous avez parlé de concurrence déloyale qui vous oblige souvent à changer de méthode pour amadouer le client Non, pas vraiment. Je crois que c'est beaucoup plus lié au niveau de revenus de nos populations. il est difficile de suivre avec ces revenus et de pouvoir dégager un surplus pour faire face à l'assurance, c'est vrai. Et c'est aussi lié aux, difficultés financières euh, du pays que, certaines euh, sociétés peuvent avoir. Euh, madame, mademoiselle Zenabou Barazé, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous souhaitez revenir Bon, je pense que tout a été. Que ce soit les difficultés euh, par rapport euh, aux difficultés, euh, M. Alonio a pratiquement tout couvert. Mhm. C'est ce dont il a parlé. Mhm. Et euh, l'une des choses vraiment, c'est pouvoir faire respecter les termes et les textes du contrat. Au fait, c'est ce qui est la difficulté. Comme il l'a souligné tout à l'heure, il faut euh, une plateforme de communication entre le souscripteur et puis le personnel et puis l'assureur. On peut même faire des séances d'information si vous voulez, euh, deux fois par, euh, par an en début et en mi-contrat pour pouvoir mettre le personnel au même niveau d'information, notamment par rapport aux exclusions et par rapport à ceux dont pourquoi ils sont couverts par l'assurance au fait. Bien. Euh, nous en venons donc à, la, dernière partie de cette émission concernant notamment les, recommandations, les comportements et, les attitudes à bannir. Monsieur Alognon, Casimir. Je crois que tout d'abord, à euh, l'endroit de nous assurer, je crois que euh, le fait que les sociétés ou les entreprises prennent soin de leur donner cet avantage euh, d'avoir une assurance santé euh, doit être pérennisée dans le temps. Lorsque nos, clients s'adonnent à des fraudes, à des manières frauduleuses ou à faire bénéficier l'assurance par d'autres personnes qui ne doivent pas en bénéficier, ça augmente le coût de l'assurance et dans le temps, euh, l'entreprise ou le souscripteur peut être en face des coûts exorbitants qu'il ne peut plus supporter dans son budget et cela peut amener à couper carrément cet avantage. Donc j'en appelle à la conscience de tout le monde que nous faisons ensemble euh, pour que nous puissions euh, euh, pérenniser cet avantage qui nous est donné pour avoir accès aux soins et pouvoir produire pour le développement de ce pays. Au-delà de ça, euh, au niveau de nos prestataires, euh, je voudrais également euh, les prier de pouvoir communiquer l'ensemble des informations concernant nos conventions à leurs collaborateurs. Quand vous dites les prestataires, vous parlez bien des cliniques, des, pharmacies, et autres, à leurs collaborateurs, pour que tout le monde soit sensibilisé par rapport aux informations contenues dans nos conventions et que ça ne soit pas une seule personne qui détient l'information. Ça, ça cause des torts euh, également à nos assurés. Et au-delà du euh, au reste, je pourrais dire que l'assurance santé a un avenir au Niger. Et, les assureurs ont un grand rôle à jouer. Et comme l'a dit tout à l'heure Mademoiselle Zenabou, il faudrait que nous allons dans le sens de sensibilisation, sensibiliser et sensibiliser encore. Euh, alors, Madame, Mademoiselle Zenabou Barazé, votre dernier mot pour clore cette émission bien sûr, ça part aussi vers la sensibilisation. sensibilisation. Euh, Par qui Par vous elle vient de tous les côtés, vraiment la sensibilisation mhm. par nous, euh, parce que nous, quand on reçoit aussi les assurés à notre niveau, on les sensibilise vis-à-vis euh, de ce qu'ils ont euh, dans leur contrat, mais aussi le souscripteur, c'est-à-dire leur employeur, doit faire <laughs> le grand boulot aussi et puis les réunir tous et les sensibiliser. au niveau aussi des prestataires, comme l'a souligné M. Alognon, les prestataires, c'est sensibiliser le personnel aussi vis-à-vis, parce que c'est un contrat qui nous lie avec eux. Donc, euh, sensibiliser le personnel vis-à-vis du contenu du contrat qu'il y a entre euh, Saham Assurance et puis euh, le prestataire. Voilà. Bien, nous sommes donc euh, à la fin de cette émission, le forum du studio Kalangu qui a porté, donc je le disais, sur comprendre l'assurance maladie au Niger. Nous avons vu ensemble toute l'importance euh, de, souscrire à une assurance maladie qui prendra en charge les éventuels risques de, de maladie pour un assuré et on a vu euh, les plaintes, les griefs des clients par rapport notamment à la prestation servie, et que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau des prestateurs et euh, dans cette émission, nous avons vu toute l'importance de pouvoir coordonner avec, euh, d'avoir une coordination entre les maisons d'assurance, euh, les prestataires et puis les clients, porter l'information, vous l'avez dit, sur les termes, les termes de, des contrats, sur les exclusions et, ce qui est pris en compte. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Casimir Alognon, qui est directeur des opérations à Saham Assurance, Mademoiselle Zenabou Barazé, gestionnaire santé à Saham Assurance également. Nous avons attendu euh, en vain euh, Saham Sounou euh, Assurance pour, pour, pour, nous accompagner durant cette émission. Malheureusement, jusqu'à la fin, donc ces derniers n'ont pas envoyé un représentant pour cette émission. Dommage parce qu'il y avait des clients qui souhaiteraient avoir des réponses. Merci à vous, présentation à la Sankouzi Mahmadou, à la technique Hassan Abdoulaye. Bonsoir.